Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue hein, dans votre émission Le Niger sur Kalangu de ce jeudi 23 février. Je suis Ali Moukela Ousseni alias Seno et avec moi Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta. Bonjour Seno, comment tu vas je vais bien, merci. Sinon, on fait aussi un petit coucou à ceux qui sont de l'autre côté du studio, n'est-ce pas Exactement. À la technique, c'est Amina Hassan et à l'édition, Adama Dawaki. Alors, Sinon, t'as quoi pour nous ce matin Eh oui, Fanta, aujourd'hui, nous avons prévu le flash d'information, une bonne dose de musique nigérienne, comme d'habitude, au plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute. Il y aura aussi du loti avec les femmes du studio Kalangu, du sport avec notre chroniqueur sportif, euh, notre chroniqueur sportif, Guruza Hamissou. Hasumi autant pour moi. Et toujours dans ce menu, c'est nous, nous recevons Mariama Germokoy comme invitée. Elle est étudiante en art et culture et aussi passionnée de la photographie. Et direction Agadez, dans notre rubrique Écho des régions, où ce matin, notre correspondant nous propose un reportage sur la culture touareg. Chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour toute une heure de divertissement et d'infos. Mais avant, cher auditeur, je vous propose de suivre le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Justement, Mokhtar est avec nous dans ce studio. Bonjour Mokhtar. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Alors Mokhtar, quelles sont les infos ce matin eh bien, Fanta, nous débutons ce flash avec cette information de la capitale du manga, Difa où le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun est président en exercice du Forum des gouverneurs des pays du bassin du lac Tchad. Mijinyawa Bakari a présidé hier un forum sur plusieurs aspects liés à l'insécurité à Difa. Plusieurs thèmes ont été débattus lors de cette rencontre, dont la perspective de la sécurité transfrontalière et la mutualisation des efforts dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le bassin du lac Tchad, le partage d'expériences en matière de gestion des ex-combattants et ex-associés de Boko Haram dans le cadre du désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, a présidé hier à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN de Tondibia la cérémonie de consécration de la 19e promotion des élèves officiers d'active et la sortie de la première promotion des élèves officiers pilotes baptisés promotion lieutenant Seydou Germakoy. Cette 19e euh, promotion des élèves officiers d'active a un effectif de 218 et 122 euh, élèves officiers et pilotes euh, de la toute première promotion, soit un effectif de 340 avec comme parrain le général de division Jibo Tahirou. Le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi a réceptionné hier à Niamey un don du gouvernement allemand au profit de son département ministériel. Ce don est composé de 71 véhicules, 498 motos, 270 réfrigérateurs solaires destinés à l'équipement ainsi qu'au renforcement des capacités logistiques des 64 districts sanitaires des 8 régions du Niger ainsi qu'au service de la pédiatrie de l'hôpital national de Niamey. C'est tout pour euh, ce flash d'information de ce jeudi 23 février. Restez en compagnie de mes collègues pour la suite euh, de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci beaucoup Mokhtar. Merci Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous recevons Mariama et Madame Aladin. Mariam, bonjour. Bonjour. Alors, Mariam, vous êtes euh, étudiante à la filière Art et Culture de l'Université Abdoumouni de Niamey. Vous êtes aussi passionnée de la photographie. Et justement, ce matin, c'est de cette passion que nous allons parler. Mais avant, Fatah, comme euh, nous avons une Mariam dans ce studio, écoutons ensemble ce magnifique morceau, en hein, Mariam de l'artiste Fé l'âge Taya. Cher chers auditeurs, à l'instant c'était le morceau Mariam chanté par le feu à la l'Agitaya au plaisir de toutes les Mariam. Et justement, nous avons une Mariam avec nous dans ce studio. Mariam, j'espère que tu as aimé. <laughs> Surtout que c'est une mélodie remplie de sens et chantée par l'un des plus grands artistes du Niger, le regretté El Taya. C'est d'ailleurs son nom que porte euh, le centre de formation et de promotion de musique de Niamey, le CFPM, n'est-ce pas, c'est nous Oui, Fanta, tout à fait. Il faut retenir que le fait El Taya est un musicien, chanteur nigérien il est incontestablement l'une des figures les plus emblématiques de la musique moderne nigérienne. Pionnier de cette musique, il domina la scène musicale des années 1980 euh, jusqu'à sa mort en août 1988, alors qu'il avait euh, tout juste 37 ans. Paix à son âme et du courage à ses proches. Amin Soumami. Après cette pause, c'est il est l'heure pour nous de nous entretenir, n'est-ce pas, avec euh, Mariam Justement. <laughs> <laughs> Mariam, j'espère que tu vas bien et que tu es prête pour nous. <laughs> Alors, je rappelle que vous êtes euh, étudiante à la filière agriculture de l'université Abdou Moumouni de Niamey, mais on parle euh, surtout de vous en tant que photographe sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Mais dites-moi, Mariam, depuis quand est-ce que vous faites de la photographie Ça fait longtemps hum, Bon, maintenant, ça fait deux ans, quelques mois que j'ai commencé à faire la photographie mm-hmm. et je l'ai découverte lors d'un atelier de photographie qu'on fait en licence à la filière art et culture mhm. avec M. Jérôme Labeur. Et c'est de là que j'ai découvert la photographie et c'est de là que j'ai commencé. <laughs> Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la photo après la genre pendant l'atelier Qu'est-ce qui vous a le plus accroché hmm, Ce qui m'a vraiment intéressé et qui m'a vraiment poussé à toujours continuer, c'est ce message et aussi j'arrive à exprimer ou à véhiculer ce que moi je veux dire et que j'arrive pas à trouver les bons mots pour les dire, mais à travers la photo, c'est plus facile pour moi de les, de les véhiculer. Genre la photo pour vous, c'est un moyen d'expression. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la photographie hum, C'est comme je l'ai dit, dans la photographie, ce qui me plaît le plus, c'est quand on a une idée, ou mhm. qu'on a un regard sur quelque chose, mais qu'on essaye de montrer ça d'une autre manière, différente que celle des autres. C'est vraiment ça qui m'intéresse et qui, et qui me plaît beaucoup de la photographie. Ok. Alors, euh, Mariam, dites-nous, est-ce que c'est difficile euh, d'être femme et photographe au Niger hum, Difficile, je dirais pas. Mais quand même, Hmm, pourquoi j'ai dit c'est pas difficile Parce que quand on est vraiment passionné, donc on ne trouve pas de difficultés dans ce qu'on fait. Mhm. L'essentiel, c'est d'être passionné et tout va être plus facile pour nous. Donc, je ne dirais pas que c'est difficile. Et <laughs> tout à l'heure, dans la, dans la préparation de cet entretien, vous nous parlez d'une différence entre photographe, tout simplement, mhm. et artiste photographe. C'est quoi cette différence hmm, C'est comme je l'ai dit, le photographe, c'est cette personne qui, qui œuvre, qui fait la photographie, juste pour gagner son gagne-pain ou pour faire la photographie par, pour, pour des chances. Mais l'artiste photographe, lui, il part au-delà de ça. Il a une idée et il essaie de mettre l'idée sur image afin d'envoyer un message et de susciter une émotion chez la personne qui regarde la photo. Donc, c'est de là que part selon moi, la différence entre le photographe et l'artiste photographe. Merci beaucoup. Mariam, nous allons souffler un peu avec euh, de la musique et on revient à vous tout juste après. C'est notre accord pour nous Fanta, cette fois-ci, euh, je vous amène à Dosso avec euh, ce son tabou cisé de l'artiste Zedem, la reine du hip-hop féminin au Niger. Il, elle est en featuring avec John Sofakoli. On écoute et on revient juste après. Hospitalité, je dois partir. Trop dur d'être jeune chez nous, vivre, fardeau fatal. Dans nos têtes, le doute s'installe, que c'est dur, dur de douter de son avenir. Triste de savoir que pire sera le lendemain, dur de ne pas savoir comment en finir. Je dois partir à Paname ou chez l'oncle Sam conscient de tous les dangers. Je sais que là-bas, je serai comme un naufragé, mais je saurai nager. Je dois partir car j'ai honte. Honte toujours tendre la main. Maître de toutes mes facultés, faut que je gagne mon pain. Je m'en vais là où l'espoir est possible, même si là-bas ma vie serait jamais paisible, où mon visage triste passerait invisible. Je partirai car chez moi la jeunesse est sacrifiée. L'alternance est modifiée à son propre sort, elle est liée. akusize ayikasambezeya lora goga kwenyangogoge dangai ina berine no wasa hankan kada surukun no gavan, tabi gavan. je dois partir vers d'autres horizons pour qu'un jour, à mon retour, mes paroles aient raison. Je m'en vais là où l'espoir est possible, défier leur mépris et leur climat impossible. On m'a dit que chez eux, la misère est visible, mais ici, c'est celle des miens et de toute cette jeunesse cible qui souffre en silence sans évolution possible. Je dois partir, il paraît que là-bas, toutes les cartes ne sont pas encore jouées, mais ici, pour ceux de ma génération, le jeu est déjà fini. Bon nombre de nos aînés ont échoué. Dans l'alcool, ils ont sombré. Dans l'échec familial, souvent dû au manque d'emploi, la misère les a cloués dans leur tête. C'est sûr que de regret de ne pas avoir fui quand c'était possible. Avant que la vache ne devienne vraiment maigre, je dois partir. Peut-être qu'un jour à leurs yeux, je serai crédible. sabu si zai ka san bai zaya kalir jajayan kumbogo kasar kubar machire galmago ko korbo bero chire ni chira ka wo mato fu bore date na ji fu bore na gawi chira wo ki ga dur ka danjeriga imadan kwara incine girimadi labo dungaro sigan jamaye karme dulla alni molaga he mola biyoda dula mes fejere dela baba dula mola maye tabu sise aika sambai zayan Tabou chers auditeurs et auditrices, c'est le titre de ce morceau que vous venez d'écouter, un morceau qui décrit les causes de l'exode et la migration chez bon nombre de jeunes Nigériens qui quittent leur famille à la recherche d'un lendemain meilleur dans les grandes villes et même de l'autre côté de l'Occident, malgré les contraintes de cette aventure, n'est-ce pas Fanta Bien sûr, nous. et beaucoup en prenant cette euh, décision exposent leur vie à des dangers permanents parce que la majorité le font d'une façon illégale. Exact. Chers auditeurs, après cette pause musicale, revenons à notre invité du jour, Mariam Djermokoui. Mariam, j'espère que tu as aimé ces sons. Oui, beaucoup. <laughs> Mariam, pour revenir à notre entretien en août prochain, vous allez exposer vos photographies et représenter le Niger en compagnie de Jérôme Labeur, qui est d'ailleurs votre professeur, au festival Ingénieuse Afrique de la ville de Foix au sud de la France. Alors, Mariam, qu'est-ce que cela représente pour vous euh, je dirais que c'est vraiment une chance pour moi parce que cela va, me permettre euh, d'élargir mon CV, de me faire reconnaître non pas à l'échelle nationale, euh, nationale mais mondiale. <laughs> Donc du coup, je dirais que c'est vraiment une chance pour moi. Et à comme ça va être la deuxième, la deuxième exposition, j'ai déjà eu à faire une première exposition, toujours en compagnie avec M. Jérôme Labert au CCFN. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que la, la première euh, exposition a représenté pour vous C'était comment C'était top Vous avez aimé J'ai trop aimé parce que c'est la première et quand, comme, tout, comme toute chose, la première est la meilleure. Et, mais je souhaite aussi que celle qui va venir et ceux qui vont venir soient plus meilleurs que la première. J'ai vraiment aimé et ça ça ça ça m'a créé des opportunités et aussi je dirais <laughs> Alors, Mariam, dites est-ce que euh. Euh, il y a eu euh, beaucoup de participants lors de cette exposition au, au CCFN Oui, Effectivement, le jour-là, il y a eu beaucoup de participants et aussi il y a eu plusieurs articles écrits, que ce soit par RFI, sur les, sur les différentes pages aussi, ils ont publié. Et aussi, je dirais que c'est vraiment, ça m'a été bénéfique parce que j'ai pu vendre presque la totalité de mes photos. Et ah. donc, je dirais que c'est pourquoi j'ai dit, j'étais vraiment contente et j'ai c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de, de vraiment extraordinaire. extraordinaire cela, veut dire que euh, la photographie, ça paye. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu à vendre euh, hein, la moitié, ou bien disons 98% de ce que vous avez exposé. On peut dire que oui, ça paye parce que cela m'est arrivé. <laughs> Merci beaucoup, Mariam, de nous avoir honoré de votre présence. Et on vous souhaite une très belle journée. Chers auditeurs, à présent, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission. C'est jeudi et aujourd'hui, on parle numérique, n'est-ce pas, c'est nous Oui, Fanta, aujourd'hui, nous recevons Farid Bourema. Il est membre de l'équipe numérique et vidéo du studio Kalangou. Farid, bonjour. Bonjour Fanta et Seno, ravi de vous retrouver sur cette émission Le Niger sur Kalangou. <laughs> Bonjour, Farid. Et justement aujourd'hui avec vous, nous allons parler de fact-checking. Le 12 février dernier, un de nos abonnés de la messagerie WhatsApp a posé la question suivante le coup d'État qui circule sur les réseaux sociaux, est-ce vrai Alors Farid, vous avez fait fact-checker la question de notre internaute. Qu'en est-il réellement Oui, Fanta, de la nuit du 16 au 17 février 2023, L'information selon laquelle un coup d'État était en cours au Niger a largement été relayée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Facebook ainsi que le réseau social chinois TikTok, cette même information est relayée à travers des vidéos et sous la messagerie WhatsApp ainsi que par des publications textes. Cette information, je précise, elle est fausse, c'est une fake news. Farid, euh, donnons-nous plus de détails. C'est nous, tout est parti d'une vidéo publiée sur TikTok qui est devenu rapidement viral sur Facebook. Sur cette vidéo, on aperçoit des officiers supérieurs nigériens faisant une déclaration en plein jour. Un détail important quand on sait que l'information fait état d'un coup d'État intervenu dans la nuit du 16 au 17 février 2023. En réalité, la vidéo a été enregistrée au lendemain du coup d'État contre Mamadou Tanja lors d'un appel euh, d'une coalition d'opposition qui saluait le coup de force de l'armée du 18 février 2010. Pour rappel, cette vidéo a été réalisée par l'AFP et elle est toujours disponible sur YouTube. Mais euh, Farid, je me demande quand même, il faut des tas d'informations pour faire croire aux internautes euh, du monde entier qu'il y a eu un coup d'État au Niger. Absolument, Fanta. Pour corroborer cette information, le même compte publie une seconde vidéo en réponse à un internaute souligne qui lui soulignait que cette vidéo est une fausse vidéo, une fausse information donc. Sur cette énième vidéo, on entend des détonations et on aperçoit aussi des étincelles au-dessus de la ville de Niamey. Il est à noter que cette vidéo a été mise en ligne par un compte TikTok au nom de Bacho69 le 3 janvier 2023. Il s'agit en réalité des feux d'artifice lors du réveillon passé. En plus, une vidéo de France 24 sortie de son contexte est largement relayée sur WhatsApp, renforçant la thèse du coup d'État contre le président sortant Issouf Mamadou. Sur cette vidéo du 31 mars 2021, Cyril Payen, envoyé spécial de la chaîne d'info française, répondant aux questions d'Elisabeth Alain. À cela s'ajoutent les différentes publications de textes faisant cas d'un coup d'État au Niger, provenant essentiellement des pages Facebook originaire du Burkina Faso et du Mali. D'ailleurs, dans un communiqué de presse, le gouvernement du Niger a démenti cette fausse information. De tout ce qui précède, euh, nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas eu de coup d'État au Niger. C'est une fausse information. Merci beaucoup Farid et on se dit à jeudi prochain. Ciao ciao. Merci. Euh, chers auditeurs, euh, avant de continuer euh, cette émission, je vous invite à kiffer ce son de l'artiste Hamdi Malan,

nous voulons vivre sur terre sans haine sans fleurs dans un monde meilleur où y a pas de guerre où sa vie unie dans l'harmonie puis une belle vie comme au paradis la calcane ne imagate Afrique là-bas imakoy Guinée bala kalkune wacho machadi yo maduga koyine la kalka naine imagate afrika ba ima koyine yo si bala kalkune wacho machadi yo maduga koyine se trahit, entre nous on se vend, entre nous on se haït, entre nous on se tue. Nous on se trahit, entre nous on se vend, entre nous on se haït. Caché, caché, anima mata, yare. Arziki ambate, rayuka rayu rayuka zumbate. Caché, caché, anima mata, yare. Arziki Young Mbate, Rayuga Zimbate, Rayuga Zimbate, Hawaii is another Zuba, Wayans Usurasa Uba, Utunse Kateda Para, you are your Rajikinjaraba. Peace and love. Peace and love, euh, mesdames et messieurs, c'est qui veut dire tout simplement paix et amour. Et c'est le titre de cette chanson de l'artiste Hamdi Malam que vous venez de kiffer. Hamdi Malam, avec son vrai nom El Haji Jibo Yahya Ahmed Toujani, il est chanteur, auteur, compositeur. Hamdi chante principalement en Hausa et en français. Oui, exactement, Fanta. Il s'est lancé euh, sur la scène musicale du Niger en février 2018 lors du concert de vernissage de son tout premier album intitulé Allah Nati, qui signifie euh, rendre grâce à Dieu. Un concert hein, qui a permis aussi euh, de relever l'artiste, de révéler l'artiste au grand public nigérien. Euh, tu sais, sinon moi ce, que, qui me plaît personnellement chez cet artiste, mm. c'est que depuis deux ans, il organise des concerts caritatifs à chaque rentrée scolaire pour collecter des fournitures et des vivres afin de soutenir les plus démunis. Très salutaire, hein, je trouve. Et en 2020 aussi, euh, Hamdi Malan a remporté le prix, euh, le premier prix du grand concours panafricain intitulé Ma voix pour l'égalité aux filles en Afrique, un concours organisé par Plan International West and Central Africa. Après cette belle euh, chanson, c'est nous, il est temps pour nous de faire voyager nos auditeurs. Tu nous amènes où ce matin <laughs> Aujourd'hui, euh, je vous amène au cœur de la capitale de l'Aïr, Agadez, une ville qui renferme euh, un immense patrimoine culturel, dont entre autres l'habillement qui fait partie hein, intégrale, euh, intégrante autant pour moi de la culture touareg. Ce sont des vêtements et des accessoires conçus par des artisans. Bachir Bohari, la trentaine, est un artisan qui confectionne des tenues traditionnelles touareg de la région d'Agadez. Cette activité, il l'a appris avec son frère aîné, explique Bachir. Dans son atelier de couture, ses apprentis et lui sont à pied d'œuvre pour finir une commande. Ina san gargajiya ta bana san ta kubce mana shi yasa nake yin kayan buga janga na koyi aikin wurin wana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi ina yin kayan ga sunan na maza da na mata samari da yan mata duka akwai buje akwai tago akwai na turkuɗi ma duk ana yi. Grâce à la diversité d'articles qu'il réalise, Bachir Buhari gagne bien sa vie. Alhamdulillah muna samu komple na mata muna yin su ka goma sha biyar kuma na maza maza muna yin su su ma jika ashirin wani bi a samu riba jika biyar wani bi jika bakwai na yi buɗe shago na na siyi ka aiki na yi gidan kaina na yi aure ciki ina da yaro wajen yaro fudu wanda suna aiki tare da ni. le client de bashir apprécie son travail bien fait, c'est pourquoi beaucoup lui sont fidèles depuis plusieurs années comme ses commerçants un de ses habitués. Aikin ne na gargajiya tabarakallah iya shi wajen shekara biyar yana mun wanga aiki saboda dadin aikin shine nake ji da kyau mutane sun sha ganin su L'objectif que vise Bachir Buhari, c'est de former davantage de jeunes dans la couture de tenue Touareg afin de conserver la tradition. Un reportage signé Anissé Karim qui est d'ailleurs en ligne avec nous dans cette émission. Anissé, bonjour. Oui, bonjour madame. Les tenues que conçoit Bachir, le couturier de votre reportage, comment elles sont exactement Vous pouvez un peu nous les décrire, genre la couleur, les tissus euh, donc, euh, Bachir, c'est un couturier. Mhm. Et donc, moi, je me suis intéressé à ce qu'il fait parce que j'ai vu qu'il est jeune et il s'intéresse euh, beaucoup à la coutume, surtout à la tenue Touareg, qui est d'ailleurs portée par presque la majorité des jeunes ici à Gadès. Quand tu vois les jeunes, c'est la couture là qu'ils portent et c'est une couture euh, euh, pleine de couleurs. Euh, c'est souvent avec un tissu qu'on appelle hashish, mm. hashash, qu'ils font ça. Donc pour les hommes et également pour les femmes. Et Anissa, quel genre d'accessoires accompagnent ces tissus les, accessoires qui les accompagnent, donc il y a des tissus, le tissu d'abord, il y a euh, le fil, mhm. le fil avec lequel euh, on coud la broderie. Euh, il y a aussi la qualité qui des ici. Alors, Anissé, dites-nous, est-ce qu'il faut des occasions particulières pour porter ces genres de tenues non, non, pas forcément. Actuellement, là où je suis, je porte la tenue. Là. Actuellement, <laughs> je la porte. <laughs> C'est pas uniquement à des occasions, c'est une coutume ici à Gadez. Surtout en cette période de, froid, en cette période de vent. Et tout le monde euh, presque porte la même tenue et le turban également. Mais est-ce que vous êtes euh, actuellement sur un autre reportage après euh, la culture touareg Oui, après la culture touareg, je suis sur un autre reportage. Ben, celui-là, c'est sur un champion qui a quitté euh, euh, les arènes, et euh, Maïdeba, qui a, est le premier même ah. à remporter le sabre pour, au compte de la ville d'Agadez, de la région d'Agadez. Hmm. Ah. Donc j'aimerais faire son reportage et puis voir ce qu'il est devenu maintenant. On a hâte de le découvrir. Merci. Allez, à tout à l'heure, Anissé. Merci. Bonne journée. <laughs> Bonne journée à vous. Alors, Fanta, euh, on passe à présent au sport. Tu es prête, j'espère Bien sûr, c'est nous. Je suis prête comme notre chroniqueur sportif Guruza Hasumi Karimou qui se trouve actuellement à nos côtés dans ce studio. Guruza, bonjour. Bonjour, Fanta. Bonjour, C'est nous. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, euh, Guruza, on ouvre euh, cette page sportive. Oui. Oui, on va, on va en parler. Comme vous le savez, Niamey accueillera dès demain, 24 euh, février 2023, le championnat national de pétanque. Fanta, durant 3 à 4 jours, les équipes venues des 8 régions du Niger vont se frotter dans l'enceinte du stade général saint contier de Niamey et de l'Académie des Arts. Euh, cette année, Fanta, il faut la particularité de ce championnat et qu'il va y avoir plus d'équipes que les années passées. Non, mais pourquoi cette décision, grouza Belle question, Fanta, parce que tout simplement, le nombre de pratiquants a augmenté selon le président de la Fédération nigérienne de pétanque, Amadou Tapsir Lee. Actuellement d'abord, la fédération totalise 1500 licenciés et sur l'ensemble du pays, mais c'est Niamey qui bat le record du nombre de licenciés. Donc, euh, ça veut dire que la boule gagne du terrain au Niger, n'est-ce pas Ah oui, Fanta, vu le nombre d'adhérents, cette discipline fait un petit bout de chemin. Mais Gourouza, qu'en est-il des femmes Est-ce qu'elles s'intéressent à ces sports Pour le moment, non, mais ça va venir. Alors Gourouza, quittons Nyame pour euh, Zander avec euh, le tournoi de football des jeunes qui a débuté le dimanche passé. Oui, sinon, la deuxième édition du tournoi de la paix et de la solidarité se poursuit normalement dans la capitale du Tamagaran. Ce tournoi, il faut le rappeler, regroupe 55 communes de la région de Zender avec 78 équipes de jeunes engagés. Je m'en vais, d'ailleurs vous donner rapidement quelques résultats de ce tournoi. Sur le terrain du CG5, victoire 1 but à 0 entre Kanya Gaya et la gendarmerie. Même score 1 but à 0 entre Confiance et Lasta. Au niveau du terrain lycée Courandaga, Galaxy dispose de Sporting sur le score de 2 buts à 0. Bassel a battu difficilement Azaf sur le score de 5 buts à 4. Pour le compte de la deuxième journée sur le terrain du CG5, Marseille a eu raison de Paris sur le score de 5 buts à 4 au lycée Courandaga, AS Caro dispose de Magaria sur le score de 5 buts à 4. Large domination de l'ASEC devant l'équipe du quartier Randambokoy. Euh, sur le score de 5 à 1. Nancy bat Adinsarki 4 buts à 1. C'était hier. L'éventé du quartier Garim Malam s'est imposé devant Real sur le score d'un but à 0. Harubanda dispose de Mansisti sur le score de 2 buts à 0. Kandaji a battu l'équipe de Guna de Myria sur le score d'un but à 0. Voilà, c'est euh, nos Fanta, voilà pour aujourd'hui. Merci Gourouza. Nous continuons notre émission Le Niger sur Kalango avec le portrait du jour. Seno, tu nous présentes qui ce matin Alors, euh, sinon, ne se retrouve pas trop. Non, <laughs> avant Fanta de continuer, je te propose de souffler encore une fois de plus en musique avec euh, Zaman Dunia de Mister Kal. tare da mu sai ka ɗauko ice dan ka tashi mu shirya dan ka tashi mu tsara dan ka tashi mu raba gargajiyan mu da nisha to ga wata na ta kukan yunwa kuma ga wani na ta kukan bashi kuma na dan Allah ku zo ku sa mu hannu dan rawa dai dai saboda ni tun daga gane na jiyo na gane ana gayin mamaki gargajiya ta ɗauka gargajiyar kakanni wanda mu ban yadda ba kuma ya kuna da labarin gobe sha da mu rabo na wuya kowa sha oui, mesdames et messieurs, c'est que j'y choue, c'est que j'y chatte. Vous l'aurez compris, c'est tout simplement la formation Mamachi Boys qui nous a proposé ici Takei Fanta. On revient avec euh, le portrait du jour. Oui, c'est nous ce matin. Nous allons à la rencontre de Maimouna Ibrahim. Elle est présente d'un groupement féminin. girwaita kikin dufo izano a gwanda kewayen wotira kan sai igine sai fpd zarmaki ni labari na gate nodin kanal tura wani tela da radiyado kwai ne mo ga gati waiborai kunda gin funa nodin iwan kurara sigiri kan a gorandi wasap fandara hunkuna a gwandi girwai kan a na mai da ngaga babu Foyi zai da killawi zai anir fahamandi hankan nan akwai ga sigirowo sintin to hankan yi dan group ma wani wode ken se se demo halga ka son bakara zam hun kun din da dar gun gidi mun kuna borkul ga bai hige no rai aga chada sandai mu gunu e ma wani yi ai ran se kan wai borai gara wande gara rusai gara dotti gai gara nya zinai gara ba babu zinai gara donc hun kuna wai borbo gunu kan ni di di izai higi kul ikan bai gobe na gano mata no gate hun kun man funun izo fu gine man gifu funun don ware yo samal bo goni sibi bisa zambar wai ki gifo gine grup ma woni grup whatsapp no kan gai sai wai ai la sabai dir go kerban si fanda hay kul ka dai wat kul ko songu bo banu portable bo ai na borai morgo ina reunion tai ni sai gondi muradu ina ha ali foto muradu kan sai ne wo kan ba ai ba no yirmu grup girm nafa ai ni sai ko ina ran no habu fu bor kul mu koi bor ga ga ga kande ya adin mono ite ikul koy ga kande bor wai waya nga yo ite president ya handu iddu ne ya kan maimuna umaru sigiro kan sai igane gurfaman koy ga sintin anir no fahamai hankan gogate grupe manga wora semen hinka ka semen hinka mono yir gir bataite ir ka lendi hani inga no yir morgu zongu taki taki zongu taki taki grupe kul mo kanda zara kalle hinza zongu taki taki adin no yir morgu inga no yir ko gi jinay din dai da te lay moye di mi tere dan kan gi manda wadin se ni gine septi kan grupe manga gite da to jedi o mo ka gato bora me da me yir morgu zambar fufu to inga giti no ro din kirgi yete gidan wayi gyo kan bara din na dan wayi gyo kan bara wandi wo da go higi din na ro na sen ya yafan asika ga bana zaman kan sir na wadin te wai borda si gugwai akwai kurni kwar man na du nor kan ga ka ga zubi man tal bor kul mu no ga yaddan da wadin wadin sai no yirne idni ya fan da no boram mu koi gugorun ga lakkal ga fam mariye da hay irgan no ka da sar ga jirbo wai taki aga ka ga sin ga zubi amma possibility go no kan borga ga hin ga fatta ngati ti mata handu yaga no dinga banin fata handu yaga no nigite gozu birse handu yaga me da la sabo kitte asibisa sammil kamborgada borgada e kan yino naf sammil ine sammil ban ni kan gara ba su donc tirage kan kan de dirte batu igu wo kanga da kaga den no woro morgu bor kul sano tirage ele man kul kanga se mayo go hantu man terse irnara tirage ner ga tim sambu taci no ro kanan diga fay ikul gudu du 200 mil 200 mil ay minisim koy gite commerce hanki gen gite kanga na hino versement wa am facilité se to ndi wadin wo gara basu bambatano ya kai kandisi disi man sigiri no kan a wani kurai zai da wani bandaborai goga makani da a wani singiyanwo kwai nemo igoga makani da maimuna umaru alhalo da kokaro wallahi maimuna gurfi mango nibai haikuli gini alborno gate wala maimun wano a gyasa wadini zan maimun a caba borai se kan haika albor gi hingate inga wai boranga gi hingate ga gyasa ka alborai gote maimun gurpu mango ana nan borai te nya foi te babu follo ya dim mono wai borai da alborai ikul no go naf i hanna dumo la halo a cin ka daidai tarin se maimun cinan bono ga gabu aga ba inna da mize aga bakar inna da mize se maimuna umaru ane le portrait était proposé par Rekia Harini. justement, Fanta. Et je te rappelle qu'aujourd'hui, on aura une très bonne dose de consommation musicale, comme j'ai eu à le dire au début de cette émission. On va encore continuer en écoutant euh, une autre musique, cette fois-ci avec euh, l'artiste euh, Mr. Kal qui nous propose Zamandounia. toi ma princesse. Donne-moi ton cœur, je ferai ton bonheur. Sois juste sincère et tu me verras pas ailleurs. Mon cœur ne fait que parler de ton amour il est calé. Loin de toi, je suis pas comblé, j'essaierai condamné. Mon cœur ne fait que parler de ton amour qui est calé. Loin de toi, je suis pas comblé, j'essaierai condamné. Aujourd'hui j'ai compris, j'ai compris. C'est avec toi que je finirai ma vie, toute ma vie. bari don in samu mu yi aure so soyayya ne ya rayuwa ta ya sake fata ke yi ko zan samu in dace kowa samu kauna ya rike ta amana ya yi nisa da zamba wataran zai murna kowa samu kauna ya rike ta amana ya yi nisa da zamba wataran zai murna Zamandonian, Seyda Hankouri, c'est effectivement de cela qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Hein. cette vie hein, demande beaucoup de patience. Vous l'aurez compris, c'est le titre de cette belle chanson de l'artiste Mystical, un morceau rempli de sage conseil, n'est-ce pas, Fanta Bien sûr, nous Et aussi dans ce son, l'artiste Kal interprète en partie une vieille chanson de Abdul Salam, mais avec un peu plus de rythme et de vivacité, même si le message reste quand même le même. C'est exact, Fanta, il faut dire. Hein? C'est le quotidien d'un artiste, produire des chansons moralisatrices et instructives. D'ailleurs, euh, la première sortie de l'artiste Cal dans son style musical était une réussite inattendue dans un duo avec euh, un autre artiste nommé Salam. Ensemble, ils ont chanté euh, Courage, une chanson qui a fait bouger hein, les Nigériens par la, par la parole que le rythme. J'espère que tu vas nous la proposer prochainement. <laughs> Inch'Allah. <laughs> Inch'Allah. Sinon, après cette pause musicale, on passe au loti du jour. Aujourd'hui, dans cette rubrique, les femmes du studio Kalangu touchent du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. Oui, une situation qui prend de l'ampleur euh, ces derniers temps. Le vol à l'arraché, euh, le braquage en plein jour sont autant euh, de pratiques qui inquiètent la population de Niamey. On écoute euh, Salamatou Kadri et Talata Abdou Baha. mille, 10 000, me dit 50 000. c'est bon, ah, ah hum, c'est bon. viva viva bonjour, comment vas-tu Je vais bien, Dieu merci. Et chez toi, ma chère, comment vont les bouts de chou Ils se portent très bien. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te prend de compter de l'argent en pleine rue comme ça Tu as gagné au loto ou quoi Hmm. J'aurais bien aimé que ça soit de l'argent gagné au loto. Au fait, je sortais de la banque et comme la salle était bondée de monde, j'ai préféré faire le compte dehors, loin des regards indiscrets. Tu m'étonnes vraiment. Donc toi, tu trouves qu'il est dehors est plus sécurisé qu'à l'intérieur de ta banque. D'où sort-tu cette idée tordue Eh ma chère, mon idée est bien fondée, je t'ai dit. Tu sais, paraît-il que parfois même dans les banques, il y a des bandits infiltrés dans la foule qui viennent pour des opérations bancaires et en même temps espionner ceux qui encaissent des grosses sommes. Hmm. tu veux me dire qu'il y a des personnes qui vont te suivre pour des petites miettes, bon, supposons que ce que tu as entendu soit vrai. N'empêche qu'à l'intérieur, tu es plus en sécurité. En tout cas, plus que dans la rue. Parce que là, tu t'exposes à des vols à l'arraché. Voilà quoi Ça a l'air grave de... Si je comprends, les voleurs enlèvent les personnes maintenant. Hé, eh, calme-toi. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des caméras de surveillance qui montrent des bandits à moto qui ont menacé une femme à l'arme blanche, puis emporté son sac à main. Mais Niamey est dangereux dès en pleine journée. Gassa. Eh oui, en pleine journée, Il faut vraiment que tu fasses attention. Quand tu marches dans la rue, surtout ouvre grand tes yeux analyse bien l'endroit s'il est bien fréquenté, s'il est désert. Si tu as un doute, ne serait-ce qu'un petit doute, rebrousse chemin et trouve-toi un autre chemin. Ah, c'est fini. Je ne compterai plus mon argent sur la voie publique. Désormais, je n'irai nulle part sans mon mari ou mon petit frère. Mike Chinga, tu sais comment ils sont costauds, non Même si Bandi veut nous attaquer, il réfléchira à deux fois avant. Hmm, ce n'est pas une mauvaise idée. Cependant, dis-moi, ce n'est pas partout que tu seras avec tes gardes corps ils ont d'autres choses à faire, ou bien Ah oui, tu as raison. Donc le mieux est que je fasse euh, attention à moi toute seule. J'ai choisi mes lieux à fréquenter et où mettre mes pieds, en faisant très très attention alors. Voilà ma chérie, tu as tout compris avec l'argent que tu as pris à la banque. Peut-être même que tu peux t'installer euh, un système de vidéosurveillance. <laughs> Eh, hum. Ne ris pas de moi hein. et puis ne profite pas de mon ignorance pour m'insulter des pauvres j'en sais De nos jours, on ne sait pas. Hein. Peut-être que ta pécule de contractuel a changé. <laughs> artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Abdelmoumouni Ali Niali. Il est journaliste au studio Kalangou et aussi traducteur en langue fulfulde. Aujourd'hui, avec lui, dans la rubrique culture linguistique, on va découvrir ce que signifie le mot humilité. Niali, bonjour. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Alors Niali, euh, qu'est-ce que l'humilité L'humilité, selon le dictionnaire français, est un sentiment, disons un état d'esprit consistant à être conscient de ses faiblesses, de ses insuffisances, et bien un état d'esprit qui porte à rabaisser ses mérites. Voilà comme définit le français dans son dictionnaire. Euh, Nelly, vous pouvez aussi nous citer des synonymes pour que nos auditeurs cernent oui, bien sûr, euh, Fanta est un synonyme de humilité ou bien deux, disons, c'est la simplicité et la modestie. Certainement aussi que beaucoup de nos auditeurs et de nos éditrices vont nous demander ce que c'est que la modestie. Eh bien, la modestie, tout court, ça veut dire la retenue dans l'appréciation de soi-même. On a coutume de dire eh, soyons modestes, n'exagérons pas. Exactement. Et après des synonymes, je pense que donner le contraire ne serait pas de trop pour expliquer encore plus cette, expression Non, pas du tout, Fanta. Surtout que l'humilité, c'est une bonne chose. Donc, euh, deux contraires du mot de l'humilité, c'est l'orgueil et l'arrogance, qui sont des attitudes de Fanta qui se manifestent par des manières blessantes. Terminons aussi pour nos auditeurs et nos auditrices par la citation de Paul Claudel, un écrivain français qui écrit, et je cite, L'homme humble ne s'agenouille pas, mais il s'assoient. Œuvrons donc pour l'humilité partout où nous y sommes. Nelly, vous avez aussi prévu de donner l'explication de ces mots en langue fulfulde. Bien sûr, euh, Fanta, pour nos auditeurs et auditrices euh, locuteurs du Fulfulde, l'humilité, on dira lesinaku et dubi afahanden otanade. naabi en ɗo tare andude du fa hannden ko neɗɗo heƴata hoore muɗum wawa du fa hannden tawrede andal dow hunde leysinade fanta en fulfulde ça veut dire durwude ko haala na ko waɗa to bonnu na helude erde bandum konngol duni fa hannden de en mbi'igol yaada fa hannde e leysinako e fulfulde kan woni fulɗude konngol liddugol leysinako na mbi en contraire en français kan woni aybare Fanta, on termine par la belle citation de Fulfulde qui dit que Halaka lesina merci beaucoup Nelly Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Fulfulde ou en Tamashek, n'hésitez pas à nous laisser un vocal ou tout simplement un message au numéro 82 89 89 64. On fait une petite pause et on revient. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà Fanta, si tu es prête, on va écouter euh, notre... Après cette pause, c'est nous, nous allons retrouver les auditeurs du studio Kalangu, car cette émission leur donne aussi la parole. sunana ibrahim adamu ina sai da gawai nan birnin kwanni eh to ina sauraron studio kalangu karfe biyar da arba'in da biyar ana labarun hausa ina sauraron su gaskiya suna nishadantarwa sannan kuma suna kayatarwa ka saurari labarai na duniya da na afirka gaskiya ina jin daɗin sauraron studio kalangu sunana amiru sahabi mai sauraron kalangu a koda yaushe ina kamowa ta ƙarƙashin rediyon niya fm nan kwanni Wato gaskiya shirye-shiryen Studio Kalangu suna birge ni sosai sabida ga yadda ake sawa shirye-shiryen su ana yi da Hausa, ana yi da Hillanci, ana yi da Zabarmanci, ana yi da Faransanci. Shi yasa kaga ko da yaushe ina saurare da Kalangu. Gaskiya shirye-shiryen su suna yi sabida suna wayar da kai sosai sosai. Nasiru Hashima sunana. Alhamdulillah shirye-shiryen Studio Kalangu muna jin daɗin shi sosai. Don ni dai da lokaci ya yi sai na tsaya na saurari studio kalangu alhamdulillah duk shirye-shirye shina birge ni na studio kalangu don ana yi shi kowane shina ɗaukar minti goma sha biyar ana ba kowa dama ya saurare shi da ƙabilar shi mu kuma akwai wannan haɗin kai gare mu a mu. inda an wani maryam abdullahi o oh, mbeɗa hettino ñande fuu wallahi mi yiya programme o na weli kan sanne mi yiyano ɓe programme maɓɓe tinno ɓe kala subaka yaade lasara muɗa jewta himɓe fuu gomanɗe ka ñemeyi yaade de jewta ba gonɗo ñemeyi jewta himɓe bancilare jewta himɓe Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. Mai magana Musa Mahmudu Muhammad mushan CEG na Faransai na CEG Franco Arab na Allah kai. Lallai shirye-shiryen Studio Kalangu ba bakin mu ne ba ko da yaushe muna saurara musamman wanda suka shahi matasa, wanda suka shahi sana'a da ake yi da wanda suka shahi shahi ciwon lahiya. Musamman ni wanda na saurare wanda na hiso shine shiri wanda danganti wanda ya shahi eh, sana'a. Da wataran ina saurara ina jin ana ma wani director da wanda na sani a Yamai. yana sarrafa tayoyi wannan shiri gaskiya ya min dadi ya min kyau kwarai na saurari shirin kuma na tafi facebook kuma har yau kuma na sake ganin shi kuma mutumin shi director in director in wadata eh, yana sarrafa tayoyi vraiment wannan abu shi na da muhimmanci sosai wallahi a nan karkara mun in za zan shigowa ana dan tallata sana'a da matasa ce yana da muhimmanci sosai yana sa matasa su samu courage biskan ayyukan da sun kasa gaba Chers auditeurs, Studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, les journaux en cinq langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec Nafisa Adam Sirfo. Nafisa, bonjour. Bonjour, Fanta. Alors, vous êtes chargé de présenter le journal de ce soir en français. Quels sont les grands titres Fanta, euh, pour l'édition de ce soir, l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme, section de Tawa, appelle la population de ne pas s'immiscer dans la question de l'organisation des élections du Nigeria voisin afin de prévenir d'éventuels problèmes. Nous reviendrons plus en détail à 17h. Et l'actualité nous amène également à Goudmaria, région de Difa, où la population rencontre des difficultés dans leurs transactions quotidiennes, notamment avec l'échange de la monnaie nigériane l'ANERA. Enfin, Fanta, le magazine du journal, nous parle de l'impact du changement climatique dans les pays du G5 Sahel. Merci beaucoup, Nafisa. Merci également. Merci infiniment. Nous sommes euh, à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Fanta Chamsou et moi-même Ali Moukela Ouseni Seno. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Amina Hassan et Adama Dawaki à l'édition.